You go feel well, sabou baba god <laughs> Ni ganda gahan bani, sabou baba god Ase yo tu yon bon sante, sabou baba god Aine koul kan gano ni gounim, sabou yon dan god ga Aise, yeah, ni goma dorizan men se neta moutegi se To, boryan che bombo nan osise Ni mou an, ni goma dorizan men se neta norose to mon norogo gazimbiyama lakal kane dori parce que nous lokocho mo ah. karay sir mo nigérien nigérien mes chers compatriotes surtout Salafada l'artiste s'exprime hey vous vous rappelez certainement de l'artiste Fiaxi. Il était hier sur l'émission Tous à la Fada, la version franco Ausso avec la Miss Rim. Nous avions parlé du parcours du combattant, de quand est-ce qu'il a commencé la musique son nom à l'état civil et tout ce qui va avec l'artiste Fiaxi. Aujourd'hui, sur cette émission, avec l'appui de Seini, Mustapha, Baby Philippe, toute la clique qui est de l'autre côté, la machine va vous permettre de découvrir le contenu de l'artiste Fiaxi. Aujourd'hui, sur cette émission, nous allons parler de ses vidéos, de ses concerts. Nous allons parler de son album ou de ses albums, s'il peut appeler les choses comme ça. Ladies and gentlemen, vous avez certainement compris qu'il est temps de donner la parole à l'artiste puisqu'il doit s'exprimer sur cette émission. D'où le nom de l'artiste s'exprime. Fiaxi la machine d'Andy te souhaite la bienvenue sur le studio Kalangu. Eh, hey, comment tu vois Tu pètes la forme Très, très, eh, très, très bien là Je suis en forme Alors, tu sais ce qu'on va faire Tu vas te mettre en tête que nous sommes au CCFN, je me rappelle très bien, du ticket, rêvé. Tu as en face de toi un public très, très chaud. Est-ce que vous êtes chaud On est chaud pour le Boubou Kalaka alors, ah, ce qu'on va faire, eh, est-ce que tu peux déjà me donner une idée déjà de comment est-ce que tu as présenté Ticket Rêvé Des sons, de tout ce que tu as rencontré. ouais, avec. Euh, tu as commencé avec quel Merci Fiaxi, on a déjà eu une idée de l'introduction, bien évidemment, de Ticket Alors Fiaxi, tu vas me dire quoi aujourd'hui sur cette émission Tu veux me chanter quoi et quoi et quoi et quoi alors, je viens de chanter euh, Nikanese, qui, qui, est une chanson que j'ai fait à la femme africaine surtout, pour dire tu m'as plu tel que tu es, euh, change pas ta couleur de peau, reste à naturel, hein, tout ça. Et après, j'ai chanté euh, Bere. Béré qui est qui veut dire en français euh, donnez-moi du. Je, je, commande en fait le savoir en fait. Mhm. Et la dernière chanson, c'était une chanson que j'avais écrite pour, Fiaxi même, qui, a commencé sa carrière musicale euh, un, peu, un peu douteux, euh, douteux pour, des, pour les autres qui se disent mais est-ce que le, le jeune homme là, il, va, il sait ce qu'il fait et je les rassurais en leur disant que... tu sais très bien que Zan, un rat. <laughs> Oh, oh, oh. Harg un rat de Zan, Kanzan, vous entraînons vos Gaskar, quoi. tout ça là. Alors, ce qu'on hmm. va faire, Fiaxi, aujourd'hui sur cette émission, il nous faut parler, euh, euh n'est-ce pas, de ta carrière. Tu l'as débuté en 2014 véritablement ou 2015 2015, 2015 professionnellement, professionnellement parlant. Hein. Mais tu as commencé à bas âge. tu as combien de vidéos disponibles tu as combien de sons disponibles Tu as combien d'albums disponibles Neymar a Info parce oh, Alors, avant de commencer, j'ai une très bonne nouvelle déjà à lancer. C'est-à-dire mhm. que actuellement, je suis, j'ai fini mon projet, mon épée qui mhm. va sortir en fin mars. Ok. Avec euh, un clip vidéo. Donc j'explique vite fait le contenu. En fait, j'ai été retenu pour un projet de l'ACF, qui est Africa Culture Fund. Donc qui ont financé euh, une partie. Ah, laisse-moi t'applaudir, il faut te faire. plus vite, plus vite, plus vite. Ah. Ah. Yes, I. donc qui vont, euh, le projet s'appellera Ticket Rivé. OK. Et on a été plus de 300 personnes à envoyer nos dossiers et on a été 100 personnes qui ont retenues. Je suis je fais partie des 100 personnes qui ont été retenues. Bien sûr. Le projet s'appelle Ticket Rêvé Fund de Faux l'autre chemin du ticket rêvé. Parce qu'à la base, ticket rêvé était un spectacle sur scène. Sans ah. Son Ticket Rêvé Go Studio. Donc le projet va sortir très bientôt. oui, j'ai vu ça. Ticket Rêvé. Mais c'est quoi Ticket Rêvé Parce que Ticket Rêvé, tu m'as fait déjà rêver. Eh. Et tu as mis dans le doute. Quand tu voulais annoncer ton concert Ticket Rêvé, tu as dit Ticket Rêvé peut un mariage. Euh, mariage. Euh, un concert. Une, une sortie d'album. Sortie d'album un Mais concert. C'est quoi Ticket Rêvé Ticket Rêver, c'est juste hein, pour moi euh, le permis de, pouvoir réaliser quelque chose dont on rêve depuis un moment. Réaliser euh, donc euh, ton rêve. Mon rêve à on moi. Est permis, tu, es permis de rêver, et, de réaliser ton rêve. Mon rêve et ah, d'inviter aussi, d'inviter aussi, c'est-à-dire le, public, d'inviter tout un chacun à, vivre, ce rêve. À vivre ce rêve, à aussi se, dire que tout est, tout est réalisable en tant qu'on le veut et voilà. Donc à vivre la réalisation de, l'œuvre de Fiaxi. Voilà. Fiaxi, <laughs> on a eu Ticket Rêvé, mm. on a eu bien évidemment, euh, n'est-ce pas, euh, Ticket Rêvé Fond qui sort en mars, bien euh, sûr. fait fin mars. Sabou, on doit parler de ça. Ah Parce que Sabou, le concept, on t'a connu avec Sabou. Ah ouais, Sabou, t'a fait, euh, n'est-ce pas, waouh! Donc du coup, parlons de Sabou sur cette émission. Alors, Sabou, c'est une chanson que j'avais écrite, euh, ça fait plus de 4 ans déjà, actuellement. Uh-huh. Et euh, j'ai réalisé le clip euh, quand j'avais juste gagné le concours Tremplin Jeune Talent du Niger, la première édition. Uh-huh. Donc c'était, j'avais eu droit à, 4, à 3 chansons et 2 clips. Uh-huh. Donc en ce moment, j'étais plus sur le live et je voulais pas vraiment me produire au studio parce que ça m'intéressait le contact avec le public. Mhm. Du coup, j'ai réalisé Sabou qui, qui a pu cartonner une année après, en fait, en réalité. bien sûr, parce que <laughs> tu vois tu vois tu vas, tu vas doucement lentement mais sûrement. Alors c'est quoi cette stratégie que tu adoptes Tu ne pars pas, tu n'es pas dans la précipitation, tu prends ton temps je pense que... Pourquoi je, pense bon, C'est pour, frapper, fort ou c'est quoi Je pense que j'aime bien être patient, j'aime bien faire les choses euh, convenablement, bien faire les choses en fait. en un mot, bien faire les choses. Et je pense que souvent, pas tout le temps, mais souvent, pour, faire, pour bien faire les choses, il faut prendre tout le temps qu'il faut. Bien sûr. Et moi, je, je, je, me considère comme un artiste qui grandit. J'ai dit tout le temps que mhm. l'artiste, seul l'artiste meurt, mais le public ne meurt pas. Bien sûr. C'est-à-dire, euh, Bon Marley est parti, il y a toujours un public pour Bon Marley. Mm -hmm. garçon est parti, il y a toujours un public Donc, il faut prendre du temps pour faire du bon. Voilà. Dans le, voilà. C'est vrai que l'œuvre de l'artiste ne meurt pas, mais euh, l'artiste, euh, tu peux partir, mais ton œuvre reste quand même. Et il y a toujours un public donc il faut prendre le temps pour pouvoir vraiment euh, concrétiser quelque chose de, vrai, quelque chose de... La mort n'est pas un échec définitif à la vie. On peut mourir et partir physiquement, mais tes œuvres hein, peuvent rester et parler de toi pour une, éternité. Alors Fiaxi, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. On va parler de tes projets. Un album en cours, un album déjà disponible. Les projets de l'artiste, c'est important qu'on mentionne tout ça sur cette émission. Donc, comme je l'ai dit, j'ai je travaille énormément sur ce projet. j'ai Je travaille avec, avec des musiciens. Quel projet Quel le, projet Le ticket rêvé fond de foi. Album moment, mmh. ticket rêvé fond de mmh. Mmh. ticket rêvé fond de foi. Est-ce qu'il y a un album fond déjà disponible Ah non, j'ai un spectacle, j'ai plutôt le spectacle euh, disponible. Matke Gotira, comme je le disais, en fait, moi, je travaillé beaucoup plus sur, le, sur la scène live. Et en plus, l'album là, j'ai pu, le, pu euh, le réaliser parce que euh, j'avais une tournée en, juillet dernier. Mais vu Covid, je ne pourrais pas voyager. Ouais, maintenant, non, <laughs> euh, il y a une rubrique spéciale sur la COVID. Nous sommes à la fin de l'émission Fiaxi. Cet instant est solennel. Parce que tu vas véhiculer un message. Un message à l'endroit de la jeunesse qui kiffe cette émission. Parce que cette rubrique est consacrée à la jeunesse. Alors Fiaxi, qu'est-ce que tu choisis Tu vas me faire un peu show avant le message ou bien tu vas me faire le message avant le show Et si je fais le show et le message Fais-moi le show et le message, on coupe Fais-moi le show et le message. Ouais.

Sachez que tout est possible, tout rêve est possible. Il suffit juste de se donner les moyens de travailler. Il faut vraiment travailler. C'était donc la machine, mesdames et messieurs, sur l'artiste s'exprime. C'était Fiaxi Sabou qui était avec nous. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Ok, sur le studio Kalambu